<laughs> de retour euh, Limoye mooy avis euh, kii bi. Mhm. avis doyen suñu doyen bi. Mhm. Euh, Thierno Alassane Diallo Atlantique FM. Mhm. ban jàngat nga ci am. je pense que damay partager avis bi ah franchement boo xoolee problème bi rek xam donc premier fautif bi pour moi, du sax Saliou Ciss son agent xam nga donc ses conseils de manière générale son entourage parce que aussi tamit depuis Coupe d' Afrique nga am joueur bi gën a dañ naan latéral gauche bi man fii Afrique donc euh, war nga mën war nga ko mën comme limu wax expliquer expliqué waroon na ma benn jàmbaar benn pige fofu 6 mois. du la yàqal dara. di mo ko mom fofu la don entraîner limu mu entraîner entraîné bu demoon fofu rek Aliou Cissé kon il suffisait juste mu trouver temps de jeu Sénégalais yi laajul ñu lu bari quoi je pense bu defon lolu Aliou Cissé le connaissant franchement. Mm. c'est un gars bu xamantene c'est un gars d'Aliou Cissé. Aliou Cissé bu ñuy critiquer deug deug sa même moi kenen ak keneen je me rappelle lors du dernier euh, coupe du monde xam nga donc bu ko bolé ci liste bi dafa jëloon polémique c'était le contraire de li ñuy wax léegi warul ñëw il est nul xam défensivement parlant pas c'est pas assez. donc malheureusement mon gagne, gagne, gagnant Adama à donc confrère franchement 1000 franchement parce que mon ne trouver Sénégal Je ne trouver c'est pas mon même Nancy mënoon na fa dem national joué ne leen bon j'ai 3 mois 4 mois pour vous aider. maa mm-hmm. euh, nekkoon seen capitaine l'année dernière du côté de Ligue 2 française dinaa dem national pour am temps de jeu pour euh, mën dem préparer la coupe du monde donc euh, si nous confrères, bu nekk doyen à 1000% de partagés avec moi. wax. damay partagé avec moi. donc ce qui veut dire que si euh, suñu joueurs joueur, il vraiment euh, mm. expliquer comment euh, pouvoir gérer leur carrière. Mm-hmm. mais vraiment qui qui, les agents. Mm-hmm. franchement je me demande. Mm. comment est-ce qu'on peut faire de côté de la fédération pour qu'on puisse avoir des mm. bons agents pour nos joueurs. nos joueurs nationaux. Mm-hmm. pour qu'on puisse n'est-ce pas valoriser un petit peu la Ligue en sénégalaise les agents aussi tamit xamou fi mom ay intermédiaire mo fepp ëpp Sénégal dañu tamal ki agent la clé agent la ki agent la man pour avoir discuté ak ñenn ñu ñu xam ñu ngi sur le milieu xam donc dañu may expliquer souvent Sénégal dañuy wax agent à gauche agent à droite mais y a beaucoup intermédiaire par exemple c'est waxab la moy agent bi xam nga signé lepp mu leer euh, FIFA nangul né agent la Mohamed n'est pas agent mais dama lay wax né pour man ma ñëw ci yow dama ñëw fi Sénégalais bi xam nga zone Sénégal ma agent la

Ismaël Sarr boo xoolee waroon na mën a signer feneen ce n'est pas le cas. Mais Nampalys Mendy idem on, franchement on pensait que Monotok toog Leinster ak du deux jouer te un cadre de de l'équipe nationale du Sénégal. Mm en Coupe d'Afrique te toutes les xamoon donc euh, ñu am ci Yakar. yaakaar. Mm. on pensait que cette année waroon nañu waxtaan ak Brendan Rodgers ndax dina ko jox temps de jeu bu conséquent on a vu que n'y euh, a pas eu de changement même si euh, il faut promettre ne bon dafa juum ci sur le cas euh, de manière générale en économie du y a problème déjà et que y a au niveau Sénégal au niveau national donc mm. c'est plus problématique pour les que en du moins, que problème mm. je pense même pas aux joueurs de Pikine Sénégal de jouer mm. la plupart du temps c'est des intermédiaires jox ma sa dossier dina ci dem lii kooku day dem wax ak keneen. Hmm. et ki xamante ne moom moo dossier bi day jima am xaliss bi du moment amul somme bi mu ci beug rek. Hmm. ça tombe à l'eau donc euh, sur ça la fédération la fédération sénégalaise de football war nañ ci gëna a liggéey. war nañ si gën hmm. waxtaan aux anciens joueurs yi xamante euh dal na leen mu nek ay ay problème buñ buñ defee benn réunion je pense que euh suñu football war nañ ko gëna changer au niveau agent. Euh, by intermédiaire, parce que lu bëri mo ya loolu moo yàq suñu football intermédiaire et pas agent en tant que tel parce que au Sénégal. mon mm. si xamné ne diw mooy agent man ki ma ci xam peut-être sax c'est c'est Seydi moo nekkoon euh, agent de Didier Drogba. yor Ismaël Sarr yor na fi Sadio Mané et tout actuellement mm. Ismaël Sarr rek la yor parce que Sadio Mané après dañoo am quelques problèmes. Mm-hmm. après mu changé mais actuellement mo yor Ismaël Sarr moom la dégone sax mu wax né au niveau Sénégal fini il y a pas énormément d'agents il y a que des des intermédiaires quoi d'amener ni dara franchement c'est important ce que tu dis mm. c'est très important euh, mm. par sur nos auditeurs mm. euh, nos téléspectateurs pardon je me passe à la radio <laughs> excusez-moi donc euh, est-ce que yo par exemple est-ce que nous am comment des conversations par rapport à avec un agent mm. euh, au niveau de la fédération sénégalaise de football est-ce que Moussoko am peut-être dans mm. une réunion dans une rencontre on te connaît mm. pour la popularité que tu incarnes voilà et le travail aussi que tu fais par rapport euh, au football euh, local et surtout au football de l'équipe nationale Personnellement parlant, il y a énormément de personnes, souvent ils me contactent sur, WhatsApp, sur les réseaux sociaux pour me dire que je suis un agent. Mm-hmm. Mais je ne peux pas affirmer euh, comme ça, un gars, je suis agent là, je suis agent là. La plupart du temps, il y a beaucoup d'intermédiaires une fois j'ai discuté avec un gars qui est à ne émission. Mhm. Euh, qui est à Séville c'est un nazan. mais euh, est-ce que suis lié avec la fédération centrale de football. Mhm. je pense pas je pense que est lié par rapport au ñi à ay Séville euh, Real tout ce qui est Espagne tout ce qui est Europe de manière générale de travail mais généralement pas affilié directement à signature avec la fédération centrale de football Moi, dañ ko parce que. Euh, suñu petits frères frère. la plupart du temps am ñu xam ne ngi sur ça y en a d'autres c'est pas du côté arnaque sax ya euh, jusque damay liggéey ak yow aw ma somme bi bëgg bon dama la fiy bàyyi et la plupart du temps comme ni l'avons la ko waxee France la nekk mhm. et maintenant nag moo ngi changé man je sens depuis 2017 2018 jusqu'en 2022 changé parce que du moment où que léegi boo européens yi noonu la au Sénégal mooy que euh, Sadio Mané Sénégal donc il y a yeneen Sadio Mané yu nekk foofu donc <clears throat> boo partenariat yi du Brune. na t'as Dakar Sacré-Cœur hmm. Olympique Lyonnais as Olympique de Marseille Jamba t'as Oslo Foot si je me trompe pas c'est Brest il y a énormément de partenariats. partenariat finalement n'as plus besoin ça de agent wa wa génération foot dañoo am ben agent sérieux bu xamantene mo moo leen affaire bon non. Jamba idem Oslo Foot idem Darou Salam du côté de Grand Yoff aussi la même chose le président c'est lui le directeur exécutif, c'est le président c'est le agent en même temps donc si vous jël ay agent yu crédible yoo man nga ko am si centre formation yu yu fi nek fi Sénégal mm-hmm. donc la plupart du temps yoy la fi jot am ay discussion mm-hmm. yu xamante ne na la wax à 100% euh agent bi kii agent la leer na signa am signature ak fédération Sénégal de football Oslo mm-hmm. Foot euh, Darou Salam Génération Foot jamba donc ñi la mën a expliquer comme quoi ak yene équipe du Sénégal yu mag yi ay Jaraaf xam donc ay TFC affaire yooyu noonu ñooñu dañuy am agent yu xamante dinañ légal liggéey ak fédération Sénégal de football mën a jaay ay joueurs xam donc loolu da leen aider financièrement financièrement pour que euh, seen petite catégorie ñu gën ko dox